Euh, ce geste euh, repose sur le projet du ministre Ndaï qui a lancé un projet si important, c'est-à-dire une femme, un masque. Des masques pour sauver des vies, les femmes se mobilisent. Et dans le département de Rufisque, nous nous sommes mobilisés pour collecter plus de 32 500 masques et on va distribuer ces masques auprès des populations, aux ayants besoin, les femmes, les, les, les personnes vivant avec un handicap, les associations féminines, toute obédience confondue. Car pour avoir ce résultat, toutes les femmes se sont mobilisées sans parti pris. Donc, je, je, profite de cette occasion pour féliciter ces braves dames. Ces femmes ont mobilisé leurs forces pour lutter contre cette Covid-19. Nous lançons un appel solennel à l'endroit des populations, car la COVID-19 est bel et bien présente dans nos collectivités territoriales. Donc les femmes doivent se mobiliser davantage pour sensibiliser la population car le port des masques est devenu une obligation aujourd'hui et respecter davantage les mesures barrières. Je profite de cette occasion pour lancer un appel à l'endroit de toutes les femmes ici présentes de sensibiliser, de faire des porte-à-porte, -porte, aller dans les marchés, voir les vendeuses, voir les femmes qui sont dans les champs, les femmes qui sont dans leur lieu de travail, leur donner des masques, mais aussi les inviter à porter ces masques. C'est ça le combat des femmes aujourd'hui et Rufisque ne sera pas derrière. Nous allons nous mobiliser, faire le tour des 12 collectivités territoriales, distribuer les masques qu'on a déjà collectés, mais aussi la collecte continue et la distribution en même temps. Tout à l'heure, nous allons à Youssoumbargan pour donner au directeur de l'hôpital un lot de masques, des masques chirurgicaux, mais aussi des masques en tissu. C'est avec euh, un plaisir réel que j'ai reçu un important lot de masques d'organisations de, de, femmes du département qui sont venues euh, appuyer le comité départemental dans le cadre de la lutte contre la pandémie de la Covid. Ce geste, nous l'apprécions à sa juste mesure pour deux raisons. La première raison, c'est que nous avons constaté un relâchement euh, général et généralisé depuis un certain temps quand même, parce que simplement, il y a des citoyens qui pensent que ce combat-là est, derrière nous. Euh, la présence de ces femmes-là, elle est rassurante dans la mesure où elle me permet de constater et d'être convaincu qu'il y a encore des personnes qui, comme nous, euh, croient que ce combat-là, c'est au contraire aujourd'hui qu'il faut retrousser les manches et renforcer le dispositif. Nous disons depuis un certain temps que ce combat-là doit être aujourd'hui un combat communautaire. Et ce combat communautaire, ce sont les femmes qui doivent le, le porter. Si les femmes sont suffisamment sensibilisées, je pense qu'elles pourront nous aider à mener efficacement le combat communautaire qui aujourd'hui est le moyen qui nous permettrait d'éradiquer rapidement cette pandémie. santé et éducation am solo parce que la crise sanitaire secteur moo am secteur yep kon la santé elle est extrêmement importante tey nag ñu yor lii indi ko muy ñoo xamante ni man dama koy wax keroog wax naa ko si ab rajo wax ko si journal man jigéen ñi suñ duggee si lenn rek damay kontaan ndax damay xam ni day réussir li tax ma di ko wax rawatina jum si secteur bi nu nekk su jigéen ñi nee gongo léppay dox ndax santé jigéen ñi ñooy dem maternité jigéen ñi la seeni doom di dem pédiatrie jigéen ñi la seeni i jëkkër di hospitalisé médecine ak chirurgie ñum góor ñi mën na nañoo xëy liggéey bàyyi suñu jabar muy matu waaye jigéen ñi amuñu xolu bàyyi seen jëkkër mu feebar te dëkkuñu ci wetam. heureusement que comprendre ngeen combat bi comprendre ngeen enjeu bi xam ngeen ni fii la donc ñoo ngi leen di sant di leen gërëm euh, Youssou Mbargane nag moyen de protection du ko doyal du fi doy mm-hmm. tey jii yow. man nga jël benn masque di si kii mais ñum masque yi dañuy changer en permanence par jour benn agent rek mën na consommer cinq masques ou quatre masques par jour te xam ngeen ni si jamono bu néew Youssou Mbargane am na seeni agent yu fi en contact avec ben cas Covid ben mettre leen en quarantaine kon képp ku ñu gën a renforcer rek si matériel de protection bi du ñu def ludul le la gërëm la te loolu la ñuy def ñaanal leen yàlla seen association bi les femmes leaders mu gën a jëm kalam ba nga xamante ni di ngeen mën a ñëw tey jii ñu naa association bi moo équipé maternité bi.